Dans quelques jours, euh, à Thiès, euh, le 14 août, le 15 août ici à Paris et le, 19 août à, Bilbao, Baracaldo en Espagne, euh, Mohamed a reçu la tariqa Tijania des mains bénies de son maître, euh, Cheikh Mohamedul Murtada, Ibn Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti. Donc ça c'est quelque chose à noter euh, avec un, stylo en or. C'est-à-dire que Al-Hajj Mohamed, il a reçu en premier lieu la Tariqa Tijania des mains bénies de Cheikh Murtada, qui était euh, le Cheikh Murtada, qui est le fils de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti. ce, euh, Cheikh Murtada là, avait l'intention d'aller à la Mecque et il était passé par pour faire sa ziar auprès de, notre grand-père, Hadj Ahmed Barra. <laughs> Donc c'est à l'occasion de ce passage à Thiès que Al-Hajj Mohamed est allé lui demander euh, la tariqa tijaniya. Et c'est le même jour euh, qu'il l'a euh, initié à la tariqa tijaniya. Mais il faut se rappeler aussi que son grand-père, Cheikh Mohamed Mdjegen, le père d'Al-Hajj Ahmed Baro, avait rencontré le père de Cheikh Murtada, Cheikh Fouti et ce jour-là, Cheikh, Mour, Cheikh Al Hajj Omar a donné le 8 Tidjan à Mamadou Cheikh Mohamed euh, euh, il, lui a donné Al-Ijaza, la, licence pour donner la tariqa, mais aussi il l'a élevé au grade de Khalif de Cheikh, mais en même temps, il lui a donné le, nom suprême d'Allah que tout le monde recherche. Al-Hajj Mohamed aussi, l'histoire s'est répétée avec lui. Parce que le jour où il a pris le, le de Tidjan des mains bénies de Cheikh Murtada ibn Cheikh Al-Hajj Omar al-Fouti, ce même jour, Cheikh Murtada lui, a donné le wird, l'a élevé au rang de Muqaddam, l'a élevé au rang de calife de Cheikhna Ahmed Tidjani et lui a enseigné le Ismail Azam. Donc ça, c'est une particularité de Cheikh Al-Hadi Mohamed Son grand-père n'est pas allé chercher la tariqa Tidjani, mais c'est Cheikh Omar qui, a, qui est venu dans sa générosité, générosité euh, immense lui donner la tariqa. Al-Hadi Mohamed aussi son petit-fils, le fils de Cheikh Omar s'est déplacé encore pour venir lui donner la tariqa Tijania. Donc, machallah, donc euh, c'est pour cela que euh, euh, Cheikh Al-Hajj Mohammed a cette euh, envergure, a, cette dimension euh, dans la tariqa Tijania. Pourquoi Parce que c'est le même jour où il a tout reçu. Le wird, le, taqdim, la Khilafah et le nom suprême. Masha'Allah. C'est pour cela que euh, Allah a béni euh, son affiliation à la tarifa Tijaniya. Donc euh, lui-même, il nous disait que le jour où Cheikh Murtada lui a donné le verre de Tijan, cette même nuit, il a vu tous les awliya, Les Aulia de l'Orient comme de l'Occident. Les Aulias connus et les awliya qu'on ne connaît pas. Il a vu tous les awliya qui l'ont salué, qui lui ont dit al Hadi Mohammed, bienvenue au cercle restreint des hommes d'Allah, privilégié d'Allah. Donc pour montrer que mashallah, son affiliation à la Tariqa Tijani a été acceptée par Allah, par le prophète Mohammed, mais aussi par Cheikh Ahmed Tijani et par Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti et des milliers de personnes par la baraka de cette prise de wird ont embrassé la Tariqa, ont eu l'ouverture spirituelle, ont eu la guidance spirituelle par la baraka de Cheikh Murtada ibn Cheikh Al-Hajj Omar. Il faut dire, il faut signaler aussi que ce Cheikh Murtada là, il était en partance pour la Mecque, pour faire son plaisir et c'est là-bas qu'il a rendu l'âme. Et c'est pour cela qu'à son décès, Cheikh al hadi Mohamed a renouvelé sa tariqa auprès de son père, al hadi Ahmed Baro C'est pour cela que dans la famille Ndegen, quand on donne le, le de la silsila revient au père dal Hadi Mohamed Pourquoi Parce que c'est ce dernier qui lui a renouvelé la tariqa. Donc c'est Hadji Mohamed Dieguène Hadji Ahmed Bara Cheikh Biran Cissé Cheikh Abdoulaye Samba, Cheikh Ndongo ça revient encore à Cheikh Al haji Omar Al Fouti Cheikh al Ghali Cheikh na Ahmed Tidjani Rasulullah, yalla Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est c'est dans cette euh, euh, euh, dans cette atmosphère de lumière de spiritualité de wird de wazifa de hadra que Haji Mohamed Dieguène a évolué donc c'était pour vous parler de cela et vraiment euh, rendre un vibrant hommage à toute la communauté tchidjane, à Paris ici, à Mantes-la-Jolie ici, masha'Allah. Euh, le frère, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, Dongo, il est pris par le travail. Mohamed Dia aussi, il est pris. Donc, Racine il est à, Dakar. C'est le frère Suleiman euh, Slim Biout, Suleiman, le grand solo solo, le, le, le grand David d'Abidjan. C'est celui-là qui, s'occupe de, la partie technique. Mais tout à l'heure, il m'a dit, euh, vraiment, la vie sur Terre devrait être comme ça. Tu vas travailler, quand tu rentres du travail, tu retrouves des gens comme ça, une atmosphère comme ça, où il n'y a qu'à la salatul fatih, où il n'y a que la ilaha illallah, où il n'y a que Allah, où il n'y a que des visages illuminé des visages lumineux, des visages euh, euh, embellis par le décor, par le, le Masha'Allah. Ici, tu viens, tu sens la salatul fatih. Tu sens l'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Tu sens l'odeur de Cheikh Ahmed Tijani. Pourquoi Parce que tous les gens qui sont là, ils sont plongés dans l'amour d'Allah, dans l'amour du prophète Mohammed et dans l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Donc, Masha'Allah, on a vécu des, euh, vraiment des moments de, de, lumière, d'extase, de, de, comble, de, beauté, de, béatitude, de, distinction même, euh, euh, vraiment, et de permanence dans l'amour d'Allah, du prophète Mohammed et de Cheikh Ahmad tiyani Donc vraiment, nous voudrions partager avec vous ces moments de lumière. Euh, nous voudrions faire le direct, la vidéo à l'intérieur, mais... Euh, les conditions techniques ne nous le permettent pas. Donc sachez que, machallah, on va prendre après des quelques clichés pour vous montrer euh, euh, vraiment tout ce qu'on a vécu ici, euh, tous les visages vraiment illuminés, les cœurs pleins de, lumière, pleins d'amour d'Allah et du, prophète Mohammed sallallahu Donc, euh, machallah, nous remercions tout le monde et nous demandons à Allah de bénir tout le monde et nous demandons à Allah tous les salatul fatihi qu'on a resté ici, tous les hizbou tous les docs qu'on a fait, toutes les prières, que cela se déverse dans la rauda de Cheikh Al-Hajj parce que, ce Dakar-là, c'est son Dakar. Et Allah nous a donné l'occasion d'aller jusqu'à euh, euh, jusqu'au pied de Cheikh Tijan Baro, Cheikh Tijan Baro, le, le actuel. Je l'ai salué, je lui ai transmis les salutations du calife Serigne Mounirou. Il m'a dit que vous êtes les bienvenus. Ici, c'est votre Hadra, euh, c'est ce Daka, c'est votre Daka. Donc, c'est un honneur de vous recevoir parmi nous, Masha'Allah. Et je transmettrai fidèlement les paroles de Tcherno Cheikh à Al-Hadi Mohamed Mounir je lui aussi transmis les salutations du frère rasidli qu'il a rencontré il y a quelques jours à, à Fès. Donc, Masha'Allah, qu'Allah nous bénisse, nous donne une longue vie et nous donne beaucoup de baraka. Inch'Allah, dans, euh, demain ou après-demain, Inch'Allah, euh, demain, Inch'Allah, demain, Inch'Allah, avec les frères, on va faire l'autre direct concernant l'éducation de l'Hajj Mohamed On a euh, anticipé son, son affiliation à la tariqa pour, pour, euh, prendre, pour euh, profiter de la bénédiction de, de, cette journée de prière. Mais Inch'Allah, demain, on va parler de son, de son apprentissage du Coran, de sa formation religieuse et de tout ce qu'il a eu comme, comme formation. Inch'Allah, nous remercions tous les frères qui, depuis qu'ils ont vu qu'on est en direct, ils se sont euh, connectés pour écouter, pour partager avec nous ces moments de, fraternité et d'amour. Euh, donc euh, nous, nous souhaitons, Inch'Allah, une bonne nuit et demandons à Allah de bénir tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.